bu ñu jógee ci loolu ñu wax ak yéen ci ay kàddu yu gàtt li nekk suñu ginnaaw man dama bëgg ñu fàtte ko te ñu focus ci li nga xam ne moom moo nekk suñu kanam bi ci njëkk mooy li nga xam ne moom moo xew démb on a vu énormément de personnes au Sénégal en France partout dans le monde être abattues dégoûtées moi, j'ai été à la manifestation de Paris hier, j'ai vu même certains être au bord de la crise de nerfs. c'est tout à fait normal mais nous détermination bi nga xamné ne je dois vous avouer que j'ai été un peu déçu de voir que nit ñi dañu abdiquer aussi facilement parce que ce serait naïf de notre part de penser que Macky Sall, il allait s'arrêter en si bon chemin. Macky Sall Macky Sall il ira jusqu'au bout du forfaiture de on est conscient là-dessus ou pas mais pourquoi vouloir abdiquer est-ce qu'on va abdiquer est-ce que nous allons abandonner est-ce que nous allons être tristes Donc les gars, il faut relever la tête. Il faut qu'on soit déterminé comme Macky Sall. Parce que Macky Sall foule. Macky Sall faut Nous devons avoir une détermination sans faille. Parce que nous devons amener le xam Sénégal cesse d'être un état de droit nous devons le faire comme Nico président Ousmane Sonko dit seule notre détermination objectif atteindre seule notre détermination nous ne sommes pas obligés de de nous larmoyer ou de nous appuyer sur notre sort Si nous avons fait Sall nous avons suñu kaw Macky Sall en 2024 et on n'aura que nos yeux pour pleurer est-ce que l'on nous en 2024 donc il faut que nous restons déterminés il faut que nous restions forts est moy suñu voie de salut pour ñu mëna a yegg fi ñu wara jëm Benen bi moy dañu jëm ci ay moment décisif comme niñ ko waxé won sank. je me permets vraiment ngeen dégluma wax par rapport à lu muy bëgg wax ni Macky Sall nañ dans un tourbillon juridique dans le seul but d'empêcher le président Ousmane Sonko d'être président en 2024 beneen bi moi, Pastef am na ko wax ne faire confiance à notre président vous avez la chance aujourd'hui d'être dans un parti boo xam ne rassemblé dans ce monde là li rassemblé dans la diaspora partout au Sénégal de l'histoire politique du Sénégal musul am rien ne va s'écrire ici je vous le dis dans les 10, 15, 20, 30 années à venir sans que Pastef défroule son encre indélébile Amoul, est-ce qu'on a ñu am parti bu mel nom di parce que Macky a pris une décision avec sa justice au debout de coucher pardon est-ce que nous am parti bu mel nom di parce que Macky Sall et sa justice de jël qui eh, boo à ne est-ce qu'on a le droit de faire ça Ce qu'on a fait, c'est que Macky Sall aura gagné son combat Macky Sall aura eu raison sur nous est-ce que avons lañ bëgg wala le faire? loolu motax fiñu jëm on a la sens. motax li xew demb c'est normal que les gens peut-être à travers une fake news nous jubiler parce que nous na benn attente bo xamné peut-être que nit yi doon nañ ko xaar pendant des années et que mu nekkoon lo xamné ne moo une normalité mais il faut savoir que fiñu jëm dafa laaj beaucoup d'intelligence dafa laaj beaucoup de calme il faut aussi qu'on soit résilient Le may wax veux c'est hyper important beaucoup de calme qu'on soit résilient aussi parce que ce n'est avancer c'est pas c'est pas les autres hein, c'est nous nous sommes notre euh, propre ennemi moi, moins propre ennemi parce que vous faites que les arcanes officiels du parti dingen ngeen souba ñu ne le parrainage y a cinq personnes etc., etc. bu len ci dugg le président Ousmane Sonko nous a demandé de faire focus focus nak c'est pas lu ñuy bind ci Facebook lu ñuy bind ci réseau rek c'est pas un vain mot focus dafa am lu mu andal c'est un mot lourd de sens lu mu de sens moy on a un parti bien organisé on a un président xam nañu bu fekkee ne am na kenn ko xamné du trahir le projet il s'appelle Ousmane Sonko. Ça, on est tous d'accord là-dessus. De mon ngeen xam ne amul dara lo xamné dañ koy décider ce parti de manière officielle et c'est pas piloté par le président Ousmane Sonko Lolu buñ ko xamé dinañ noppalu les fake news ceux qui viennent essayer de de de de divertir ceux qui viennent essayer de de de de de de foutre le bazar dans Pastef dinañ noppalu Ñoñu nak ñun rek ñoo leen di dooleel parce que ñun ñoo fi nekk di déglu ñoo xamné peut-être waruñu leen déglu. Et plus nous avançons encore une fois, plus ces tentatives de manipulation, di gën di continuer di gën di continuer donc nous booloo nekk benn nañu déglu la direction du parti d'accord bi nga conscientiser des enjeux Ousmane Sonko à travers sa cellule il contrôle tout dafa am ne leen loo relève de la volonté divine li nga xam ne xew ci Pastef ak li nga 2024 nous avons tracé ne ko ba amul dara koy dindi Pastef est dans les cœurs des Sénégalais président Ousmane Sonko est dans les cœurs des Sénégalais et l'eau, mënul dañ taxawaay bi encore une fois pour terminer c'est hyper important Deuxième fois, il xam ne dafa laaj taxawaay dafa détermination dafa des ressources financières dafa laaj des ressources euh, personnelles si vous voulez toute forme de ressources Lolo nous mooy focus bi ma wax sànq beneen L'Union finance parce que c'est un levier hyper important Parce que d'accord et la troisième le troisième point pardon il le focus avec les loo donc je expliquer en détail mais je encore une fois en tant que patriote les amis focus focus du focus